le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu qui sont diffusés en direct par nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Aujourd'hui, nous allons parler culture dans le forum de Studio Kalangu. L'humour, comment les femmes nigériennes abordent-elles ce métier Par définition, l'humour au sens large est la forme railleuse d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Dit le dictionnaire, la sur le C'est un langage, mais aussi un moyen d'expression. Si le métier d'humoriste dans toutes ses formes est très bien pratiqué sur la scène dans plusieurs pays, ici au Niger, peu de gens s'y intéressent et la situation de la femme nigérienne dans ce paysage est encore bien peu enviable. Alors quelle est réellement la place de la femme nigérienne dans l'humour Comment se présente le paysage humoristique nigérien Qu'est-ce qui explique le désintéressement des femmes de ce métier culturel Autant d'interrogations auxquelles nous tenterons de trouver des solutions au cours de ces 45 minutes. Pour cela, nous recevons dans ce studio Sarah Promise. Elle est actrice humoriste. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Nous recevons également Hiro Moman. Il est le président de l'association artistique et culturelle Bafouné Didjo et directeur artistique des Rires à Bonsoir. Bonsoir. Euh, le petit détail. Oui. Son super excellence, son imminence, le très haut, <laughs> le président de la rue publique. Alors, à la présentation, <laughs> c'était le fils Adam Sirfo et chers auditeurs et auditrices, restez à l'écoute, on va beaucoup rire aujourd'hui. Euh, de tout temps, on nous parle du Niger, c'est pour dire que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Hmm. L'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais on ne nous dit jamais la vérité. Est-ce qu'on vous a une fois parlé de Gaba Est-ce qu'on vous a dit que le Niger a été le PAM personnel des Ivoiriens, le programme alimentaire de la Côte d'Ivoire le Niger, Un Nigérien a éradiqué la faim de la Côte d'Ivoire. Ah bah oui, si vous ne le savez pas, vous avez sans doute entendu parler de Garba. Ah c'est un nom nigérien. Garba, c'est un célèbre monsieur qui, à l'époque, avait vu la famine faire rage à Abidjan, s'est permis de se faire le messie des Ivoiriens. Car le Niger a tant aimé la Côte d'Ivoire qu'il envoya son fils unique Garba afin que tout Ivoirien qui croit en lui ne périsse point de faim, mais qu'il mange bien et moins cher. A Tchéké 3, Oignon 17. <laughs> Et c'est le plat qui est bien prisé à Abidjan. À <laughs> merci bien. Alors, euh, merci donc, euh, chers invités, d'être venus. Et c'est avec cette euh, petite démonstration que nous débutons cette émission. Alors, Hiro, Maman, je commence par vous. L'humour, comment vous définissez l'humour, vous En tant que président de la rue, autodidacte, pour moi, l'humour, c'est cet art qui permet de déstresser, de décomplexer, d'apporter les rires mm. euh, auprès du public. C'est cet art qui permet euh, d'apporter un plus dans la mesure où du temps que les rires est thérapeutique. Euh, moi, spécialement, j'ai préféré parler du stand-up. Dans limo c'est vrai, il y a plusieurs, il y a plusieurs styles. le, concept, style que moi, le concept que j'ai, dans lequel je suis, c'est le stand-up. C'est un, style humoristique, disons, pour faire court, à thème défini. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire c'est un style qui permet de traiter des thèmes euh, du vécu quotidien mhm. d'une manière caustique et afin de transmettre les rires. L'objectif final, c'est les rires. Et même dans le stand-up aussi, il y a plusieurs styles. Mhm. Il y a l'humour populaire, il y a l'humour noir, et il y a aussi le sketch-up, qui est ce style qui est un peu plus euh, connu au Niger, euh, le style euh, des sketchs que nous avons vus, les sketchs que nous voyons, mhm, mhm. Euh, mais sous une autre forme. Parce que, la, à la différence, le stand-up, il exige que le thème soit déjà quelque chose de réel, de, vécu, et aussi de quotidien, de quotidien, et aussi que ça soit à thème défini, que ce ne soit pas euh, une présentation qui parle de, dans tous les sens. Mm-hmm. Euh, le sketch, euh, l'extrait que j'ai présenté tout à l'heure, ça, ça, s'appelle Garba. Oui. Le Garba, on, le, on, connaît tout le monde. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ça parle toujours dans ce style de telle sorte que quand tu fais quand quelqu'un quand on fait du stand-up c'est carrément différent de l'humour que nous avons connu avec Ada mhm, mhm. avec euh, Lompo mhm, euh, c'est carrément différent avec le style d'humour qu'on a des comédies plutôt de Tchatcho la famille c'est nous c'est vraiment un autre style à part voilà. comment se présente la situation au Niger le paysage humoristique comment se présente la situation actuelle Mm. ici au Niger euh, Jusqu'en 2019, jusqu'en 2019, j'étais encore le seul stand-upper au Niger. Mhm. Et ça, ça c'est un peu lourd pour moi de le dire. Chaque fois qu'on dit il y a combien de stand-uppers au Niger, je suis aussi représentant de plusieurs euh, associations d'humoristes dans la sous-région. Il y a combien de stand-uppers au Niger dit on est en train de travailler dessus. Donc du coup, on s'est dit de créer un festival qui va nous permettre de former des jeunes et aussi avoir une première génération de jeunes humoristes au Niger. Et ce qui fit fait, euh, l'année dernière, on avait lancé la première édition des Rires à mhm. où nous avons eu à former 18 jeunes. Et c'était vraiment le départ du stand-up au Niger, de l'histoire au Niger. Parmi ces 18 jeunes, aujourd'hui, on les, 18 on les retrouve aussi euh, dans les trois comédie clubs qui sont à Niamey. Mhm. Euh, Araka Comedy Club, Cabaret et aussi euh, le Comedy Club de Wanouski. Du coup, c'est pour eux aussi que l'histoire, elle est en train d'être écrite. Nous sommes à l'introduction. D'accord, on espère bien que cela évolue. <laughs> Inch'Allah, Dieu est Sarah promise de parler non, les gens s'interrogent si vous êtes nigérien. <laughs> Oui, je suis nigérienne, née au Niger, grandi au Niger, donc nigérienne. Voilà, Sarah Promise, vous êtes euh, jeune artiste et humoriste. Dites-nous, euh, depuis quand avez-vous embrassé ce métier euh, J'ai embrassé ce métier il y a à peu près un an et mm. demi comme ça. Mm-hmm. Un an et demi, et, quelles étaient vos motivations Qu'est-ce qui vous a poussé Ce qui m'a poussé de un mois, j'aime bien la joie. Mm-hmm. Parce que de nature, avant, on m'appelait Sarah la joie à la joie. Oui, donc j'aime bien la joie, j'aime bien m'amuser, tout ce qui fait rire, tout pour distraire, tout pour mettre tout le monde dans l'ambiance, quoi. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivée. En plus, je n'aime pas voir les, les, visages des gens tristes. <laughs> Et dans la nature, dans la vie réelle, si je suis assise à côté de toi, tu fais la mine. Je fais tout pour te pousser à rire. Ah oui. Pour changer de mine. Voilà. Et réellement, comment est-ce que tu es devenue humoriste réellement, concrètement Bon, je ne dirais pas que je suis devenue humoriste, c'est trop dire. Donc je <laughs> suis sur la route de devenir ah, humoriste. Mhm, mhm. Euh, le président de la rue publique, il est là. Mhm. On voit les anciens qui sont, et puis à la télé, les différentes personnes qui font de la comédie, tout ça, ça te pousse, ça t'incite. Et puis moi, je dirais que en parlant du mot, c'est de l'art. Et l'art, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Donc donc, euh, si on peut comprendre, depuis toute petite, euh, le métier t'intéressait. Bien. Pour parler de ça, je suis née d'une famille chrétienne. Donc chez les chrétiens, vous savez, à l'église, on fait les sketchs, on fait tout pour faire rire. À des moments, des petites fêtes de Noël, le 31, c'est mhm. toujours comme ça. Mhm. Donc déjà là, moi j'avais pris cet envol-là. C'était comme ça. C'était que cadré au niveau de l'église. Voilà. Maintenant... maintenant... que depuis que je suis arrivée à l'université, entre griffes, <laughs> c'est là, que je me suis un peu ouvert et puis j'ai vu que bon, voilà, je pourrais extérioriser ce mini donc que Dieu m'a donné. D'accord. Monsieur Hiro, euh, vous, tout de suite, vous parlez des différents euh, concepts. Vous vous êtes le plus basé euh, sur le stand-up, c'est ça mhm. Dites-nous les concepts, les autres concepts qu'on retrouve ici au Niger. les concepts qu'on retrouve ici au Niger, c'est les sketchs comiques qui ne fait pas du tout partie du stand-up, euh, qui est vraiment euh, un sous-groupe du théâtre. Mais chez nous, au Niger, c'est considéré comme étant de l'humour. Voilà, puisque ça fait. Voilà. <laughs> Donc, il y a le SketchUp qui est aussi. Euh, ils sont presque, ils sont proches. Mais le SketchUp aussi, c'est la seule différence, je le disais tout à l'heure, c'est que c'est à thème défini. Maintenant, il y a le l'humour classique, l'humour traditionnel que nous avons connu euh, qu'on vit dans les, dans, les quartiers, dans les mhm. rues, dans les fadas, euh, euh, à partir de la parenté à plaisanterie. Et nous avons l'humour populaire et nous avons aussi l'humour noir au Niger. D'accord. Et, comment devenir une personne avec un sens de l'humour Est-ce que ça requiert une formation, une quelconque formation Bon, avoir de l'humour ne requiert pas d'avoir de, de, une, formation. oui. Mais être humoriste, il faut être, se sans formation, on ne peut pas écrire un sketch de stand-up. On ne peut pas écrire un, euh, sketch d'humour. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y, a des, il y a des normes. Il y a, euh, comme, disent, euh, comme je l'ai dit dans un de mes écrits, on nous a imposé un style. Et quand on nous l'a imposé, nous l'avons accepté. Mais malheureusement pour nous, les gens qui l'ont créé avaient donné des règles. Ça, tu le fais comme ça. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas dedans. Donc, c'est un peu ça. On est obligé d'apprendre à écrire. Dans, dans, le, le, dans le style d'écriture, nous avons la dérision, l'ironie, mhm. l'irruption, l'irréversion. Il y a plein de. Il y a plein de. Il y a au moins 16 base, les, ça c'est les 16 procédés comiques mm, mm. de la base. Pour donc que pour, les, pour, maîtriser 16 procédés aussi, c'est pas facile, c'est pas aisé. Ça nécessite combien de temps Très longtemps. Moi, jusque-là, je continue de me former. Pourtant, j'ai commencé l'humour en 2012. J'ai commencé les stand-up en 2012. J'ai écrit mon premier spectacle deux ans après. Euh, il a fallu encore 4 ans pour que j'écrive un deuxième spectacle. Mhm. Encore, il a fallu 2 ans pour que j'écrive mon troisième spectacle qui sera joué mhm. en avril à Ouaga D'accord. Sarah, qu'est-ce que ça vous fait de faire rire les autres <laughs> Comme Quel est le sentiment que vous ressentez même après une prestation <laughs> Comme je l'ai dit précédemment, savoir que je fais rire les autres, que je donne de la joie aux autres, ça me procure du bien. Et quand je monte sur une scène et que je, je, vois tout le monde a souri, tout le monde est content. Quand je descends de la scène, je suis fière de moi. Mhm. Je sais que j'ai fait quelque chose hein, de bien. Parce que ceux qui sont là, ils sont sûrement venus avec du stress, ils sont sûrement venus avec tous les problèmes hein, de la vie, de tous les mhm. jours. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est un sentiment de joie, oui. Parce que, je l'ai dit souvent, on l'a dit souvent entre nous, euh, les humoristes, le public qui vient regarder nos spectacles pour rire. En fait, euh, ce n'est pas eux les premiers bénéficiaires, c'est nous d'abord parce que le temps qu'eux ils ont ri là, nous on avait fini déjà de rire. C'est une fierté pour C'est une fierté, c'est nous qui recevons plutôt en mm, fait. Mm, mm, ok, je reviens vers vous Sarah. Et comment se présente la, situation des femmes ici au Niger Est-ce que vous êtes nombreuses à être dans ce métier Bon, non, les femmes ne sont pas nombreuses dans ce métier-là. À peine quelques têtes. Vous avez les chiffres Oui, plus ou moins une dizaine comme ça. Donc je dirais que pour, pour donner les conséquences de ça, c'est parce que déjà l'art n'est pas trop apprécié chez nous ici au mhm, Niger, mhm, surtout mhm. pour la femme. Nous, nous, connaissons nos valeurs. Nos parents, ils ont l'habitude de dire que non, ceux qui se mettent dans ces trucs-là, c'est de la dépravation des mœurs, tantôt par-ci, tantôt par-là. Oui, vous personnellement, euh, euh, être femme humoriste, qu'est-ce qui est facile pour vous ici, vous personnellement moi, personnellement, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas vraiment si facile que ça, mais j'arrive à m'en sortir tant que j'ai l'appui de ceux les plus importants pour moi, ce sont les parents. Mhm. Tant que j'ai leur appui, le reste, ce n'est rien. Mhm. Et je pense que c'est à ça que nous tous, nous devons nous concentrer. essayer de convaincre nos parents que ce que nous faisons, ce n'est pas mal ce n'est pas maudit. Faire rire les autres. <laughs> c'est mettre les gens dans de bons termes, quoi. Et puis, on peut faire rire les autres en étant bien. On n'a mhm. pas besoin de dépraver nos mœurs ou bien de changer carrément, de devenir, mhm, mhm. pour pouvoir faire du bien aux autres. Voilà. Euh, Hiro, avant de venir à la question de, la situation des femmes ici au Niger, dites-nous quelle est la portée de l'humour chez un être humain Quelle est la portée hmm, La portée. Déjà qu'on dit que le rire est thérapeutique. Euh, j'ai oublié les chiffres exacts du temps que le sourire, c'est déjà le fait de sourire, ça, ça, met d'abord ton corps, ça apporte à ton corps. Euh, le rire te, libère l'esprit. Tu as une ouverture de, sur la nature. Je euh, je peux pas, euh, personnellement, ce serait <laughs> difficile. difficile pour moi de dire la portée, mais tout ce que je peux dire, par exemple, moi, à chaque fois que j'écris un truc, je suis tellement, euh, ma journée est gagnée enfin. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que si j'arrive, exemple, à tenir ce festival, c'est parce que je suis un humoriste. Pourquoi Parce que je passe mon temps à me foutre de tout le monde, mhm. à raconter des conneries sur tout le monde. Et la vie est belle, quoi. <laughs> Voilà. Et pour revenons à la question des femmes, qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'il y ait beaucoup moins de femmes et humoristes que d'hommes ici euh, D'abord, la première chose au Niger, c'est la religion, déjà. Euh, la religion, les gens, les gens se disent que euh, l'islam interdit ça. Alors que je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que euh, à l'époque du prophète, il n'avait pas interdit parce qu'il y avait un des hadiths qui parlait d'un moment où il avait donné son, je sais pas si sa couverture, ou bien il a fait un don mhm. à un poète mhm. qui venait euh, dire un une poésie euh, à leur. comment ils appellent ça Bon, mhm. disons Fada. <laughs> <laughs> Donc, si le prophète a fait un don pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on dit on ne fait pas Moi, j'ai été surpris en 2013 euh, en, Tunisie, aux Journées théâtrales de Carthage. Il y avait l'Arabie saoudite qui a été représentée. Mhm. Nous, ici, quand on parle de, de l'islam, on dit en même temps. Mais voilà que les Mekwa, eux-mêmes, ils sont venus jouer théâtre. Et ah. des femmes, des femmes de surcroît. Ici, je pense que c'est dans la tête, en fait. Mais les femmes, aujourd'hui, je peux dire que nous avons au moins trois, trois qui sont encore, qui sont au-devant des choses. Mm-hmm. Et, que ces trois, moi personnellement, je compte sur ces trois pour que les quelques sept ou huit filles puissent aller de l'avant et mm-hmm. que ça marche un de ces jours. quoi. D'accord. Et Sarah, est-ce que vous, je sais pas, vous faites face à certaines difficultés dans le quotidien, euh, votre entourage, entourage, autant pour moi, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face oui, ça, ça ne manque pas. Mm. Les, difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ça ne manque pas. De un, il y a certains publics qui ne sont pas du tout faciles. Et puis, il y a le regard qu'ils ont envers la femme. Mhm. Donc il y, a beaucoup qui, il y a beaucoup de ces trucs-là qui pèsent sur nous, mais que avec le rire, nous arrivons à surmonter cela. Mhm. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Et pour cette, euh, comment dirais-je, la formation, vous dites que c'est un truc, euh, si on peut le dire, à vie, parce que chaque jour on apprend, ça. Chaque jour on apprend. Comment euh, vos entraînements, comment ça se passe Comment vous vous entraînez vous <laughs> Après avoir connu les bases mhm. de l'humour, les bases qu'il me faut, je reviens en moi j'écris un test, n'est-ce pas J'écris un test et puis quand je rentre chez moi, je l'apprends d'abord et là, ça, répétition à vie. Tout le temps, répétition. C'est c'est pas bon, je vais voir celui qui connaît mieux que moi pour qu'il m'enseigne. Il me dit, c'est pas bon, je reviens, j'arrange encore pour que ça soit nickel, propre, bien pour pouvoir plaire aux autres. Ce, métier d'humoriste, est-ce que tu as pu vraiment euh, convaincre certaines de tes amis à aborder ce métier d'humoriste oui, Il y en a qui sont beaucoup intéressés, mais ils sont intéressés pour juste rire, <laughs> pour juste me regarder et puis rire. Pas pour vraiment s'approprier. Et puis, mhm. quand je, n'ai qu'une seule sœur, elle, euh, elle est intéressée par l'art, mais elle est plus intéressée par le slam. Mhm. Donc, euh, ça même, c'est un problème parce qu'à la maison, tout le temps, la maman, elle dit voilà, tu as entraîné ta petite sœur. <laughs> Et est-ce que ça, ça n'entrave pas. Tu dis que tu es à l'université, c'est ça Oui. Ça n'entrave pas tes études non, ça dépend. Tout est une question de programmation, de mhm. principe et de responsabilité. Mhm, mhm. Tu sais pourquoi tu es parti à l'université, n'est-ce pas Ok, mais c'est pas pour autant que tu vas dire université, université et continuer toujours d'être sous la couverture des parents. Il faut bien que tu te cherches un peu. Et c'est là où tu es bien que tu vas te chercher. Alors, tu fais comment Tu te performes. C'est tu te formes tu sais bien faire, mm, mm, mm. tu te forges là-dedans, puis tu fais un peu, un peu jusqu'à essayer de pouvoir un peu te subvenir à toi-même, et puis c'est comme ça. D'accord. Et il y a de cela un an que tu as embrassé ce, métier d'humoriste. Un an à aujourd'hui, euh, quelles sont les différentes thématiques que tu as abordées, que tu as traitées et qui t'ont vraiment, comment dirais-je, qui ont fait ta fierté, quoi <laughs> Ok, moi je dirais que j'ai d'abord commencé par le, Sketch up. Donc c'est par là que j'ai commencé. Effectivement, j'ai commencé par des thèmes, on parle sur la liberté mm-hmm. et euh, des thèmes, la, la salubrité, des mm. petits thèmes comme ça. La femme aussi, parce que le plus souvent, c'est la femme qui est au centre des sujets, mm-hmm, mm-hmm. des sujets un peu à gauche. Donc un peu de tout, quoi. De ce que, comme on dit, L'humour, c'est ce que tu as vécu, c'est avec ça que tu peux faire rire les gens. D'accord. Hiro, est-ce qu'il y a des limites à respecter dans l'humour Bon, moi je, je n'ai pas de limites, mais j'ai limite pourquoi Parce que nous sommes au Niger aujourd'hui. Quand, euh, quand j'écris un spectacle sur la sexualité, par exemple, nous savons que c'est un peu tabou. Mhm. Donc, je, souvent, je mets des limites au Niger, mais hors du Niger, je ne limite pas. Euh, je ne touche pas aux religions. Si je touche aux religions, je mets les deux sur, une même, euh, mhm. sur le, sur le ah même plateau. Donc, je fais de sorte que de ne pas léser l'une des, religions. Mhm, et mhm. quand j'aborde aussi cette question des sociétés, je fais tout pour que tout le monde se retrouve, mhm. ce qui me donne doublement du travail en fait. et, comment dirais-je concernant les entraînements et autres, est-ce que ici vous disposez de cadres adéquats pour cela J'ai un studio où je répète un studio de 5 sur 4, donc ça va. et c'est aussi un appel que je vais lancer aussi à tous les artistes admettons, acceptons qu'on nous fasse des apports, acceptons les critiques. C'est ce qui nous nuit ici. Les critiques, ça, ça, ça, ça grandit. L'art sans critique, ça, ce n'est plus de l'art. Mhm. Tu fais autre chose. Sarah, est-ce que vous avez eu la chance euh, de participer à des spectacles à, l'international Je dirais que non, pas vraiment. Je suis encore au national. Au national, Oui. Mais concernant le sketch SketchUp, oui, là, j'ai eu à participer. Mhm. Mais puisque je suis dans l'apprentissage continu du. De, du stand-up. voilà, du stand-up, je suis encore au national. Ok. Et au national, quels sont euh, les spectacles euh, auxquels vous avez participé Déjà. Je préfère pas. Ah bon Oui. <laughs> Il n'y en a pas des euh, spectacles qui sont organisés ou... Si, il y en a, ils ont l'habitude d'organiser. J'arrive à participer à d'autres, d'autres non. Parce que vraiment, la vie, c'est un choix. Mhm. Je suis dans l'apprentissage et quand tu sais que tu n'es pas encore arrivé à ce point-là où voilà, tu mhm. te retiens un peu pour pouvoir suivre les autres mhm. et toujours apprendre à apprendre. D'accord, vous voulez dire Ouais, je, voulais dire que aussi, c'est que euh, souvent, c'est qu'on est trop pressé. Et moi, si tu travailles avec moi, tu n'es pas pressé. Mhm, mhm. Il faut prendre le temps. Si tu ne peux pas suivre des spectacles, il faut suivre des vidéos. Il faut te former. Prends le temps qu'il faut. Ne sois pas pressé. Tu y arriveras. 2019, je n'ai pas fait de spectacles, Je n'ai même pas fait un sketch. Mhm. Je dis bien un sketch, je n'ai pas présenté. Cinq minutes, je n'ai pas présenté parce que je n'étais pas prêt. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas des enseignes, j'ai deux spectacles dans le tiroir, quoi. Mais ça aussi, je ne touchais pas. Et en tout cas, moi, j'incite tout le monde, euh, tous ceux qui travaillent avec moi à ne pas être pressés à l'homme au Ok. Sarah, euh, comment vous arrivez à vous en sortir Est-ce que c'est de vos propres moyens que vous faites tout <laughs> C'est le tout cumulé. De mes propres moyens, des moyens des autres. C'est le tout cumulé qui m'aide à m'en sortir. Mhm. Parce que dans la vie, on dit que l'autre, c'est moi. Mhm. Donc, je ne suis rien sans les autres. Donc, euh, c'est tout le monde. Ok. Hiro, le métier d'humoriste, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui nourrit son homme ici euh, Ici au Niger, euh, disons que pour le moment, ça tangue. Euh, je dis ça tangue parce que les gens, c'est maintenant que les gens commencent à comprendre ce que c'est que, le stand-up. Mhm. Moi, j'ai eu quelques appels où on me dit, OK, viens nous présenter un sketch sur tel thème. Parce que c'est ça aussi la force de ces domaines. Aujourd'hui, euh, vous pouvez inviter par exemple l'anniversaire de Kalangu. Bon, <laughs> notre thème d'anniversaire, c'est ça. Est-ce que tu peux venir présenter mm-hmm. un sketch de 10-15 minutes sur ça mm-hmm, mm-hmm. C'est possible et ça va être drôle. Du coup, c'est les gens ont commencé à comprendre. Donc ça va. Moi, personnellement, je n'ai pas un autre métier à part l'humour et la régie lumière. Donc voilà, je ne vis que de ça en fait. Ok, parlant des femmes, euh, comme vous l'avez dit, elles sont un peu nombreuses, pratiquement pas une dizaine, elles sont à peu près trois. Euh, qui sont prêtes. Qui sont prêtes autant pour moi. Est-ce que euh, vous arrivez à les faire sortir à l'international aussi Les faire sortir, non. Pourquoi Parce que d'abord, pour faire sortir quelqu'un, il faudrait déjà être sûr qu'il va donner quelque chose de grand c'est cette année que, non, disons en novembre, on a fait partir Mint euh, au Cameroun. Et c'est ce qui lui a permis aussi d'être sur le programme du festival cette année. Si elle n'était pas partie au Cameroun, elle n'allait pas être là. Et on l'avait envoyée pour une formation au Valérie Comedy Club, Africa Stand Up. Mhm. Ça a passé sur Canal+. Plus mhm. Et après elle, c'était vraiment un test euh, nous avons rencontré des, les gens qui organisent des, événements, des, formations. Et dans la mesure où notre festival, nous allons en venir tout à l'heure, euh, c'est euh, la force, L'objectif, c'est de permettre une plateforme de promotion, de diffusion et de mm. coproduction. Mm, mm, Aujourd'hui, dans les conventions qu'on a signées, ça nous permet désormais d'envoyer des, jeunes, des jeunes humoristes du Niger vers les autres pays tels que le Burkina, le Togo, le Bénin, le Mali, le mhm. Congo-Brazza et bientôt le Sénégal. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour vraiment euh, amener beaucoup de femmes à s'intéresser à ce, métier euh, Tu vois, euh, on a un peu de temps. Quand je me présente, j'ai dit naturalisé, labellisé, certifié, qualifié, nommé, <laughs> renommé, nominé garçons pile au thème directement sorti d'usine. Bio, naturel, halal. tu non moi, je parle à, à Lago comme ça, là. <laughs> Vous allez la convaincre. Quand je vois euh, le talent, quand je, en fait, je parle, je parle pas vers la personne au hasard. Quand je vois la chose en elle, je dis, écoute, toi, tu sais que tu peux faire ça, non hum, hum, hum. et Et c'est vrai, c'est un peu difficile au début mais et aussi, il y a certaines qui, c'est d'elles-mêmes, elles viennent. Mhm. Euh, je fais partie de ces personnes qui disent toujours, je suis disponible tant qu'il s'agit de travailler. Si c'est travail, je suis là. Mais si c'est pas travail, euh, je peux demander demain, je serai pas là. Mhm, mhm. Mais pour le travail, je suis toujours, toujours dispo. Donc ça permet de sorte que les gens viennent facilement vers moi. Et moi aussi, j'ai le contact facile, je parle, je parle facilement vers les gens. Donc c'est un peu ça. Sarah, est-ce que vous avez un modèle je ne sais pas, D'artiste... Humoriste... Euh, international Auquel vous voulez. Claudia Tagbo. <laughs> Ah, ah, ben, ben, quelle est le président de la République l'a dit. Ah, vous confirmez Pourquoi ah. elle est comme elle, comme ça là. <laughs> Je n'aime pas ça, un président. <laughs> Oui, dites-nous pourquoi vous voulez lui ressembler. Euh, c'est ça on appelle une femme de l'art. Mhm. Elle a su s'imposer dans son domaine et elle a montré que la femme peut aller loin. Mm. Et Claudia même, dites-nous, c'est qui Claudia même, elle est de quelle nationalité Elle est franco ibarienne Voilà. Et oui, continuez. Ok. Ouais, je disais que c'est une femme qui a du caractère. Mm-hmm. Quand elle se met sur la scène, elle s'impose et puis tout le monde l'apprécie. Mm-hmm. Elle a appris ce métier-là, elle le fait bien en fait. Donc elle sait ce qu'elle veut, mm. elle est rentrée là-dedans et elle fait son possible pour être la meilleure. Mhm. Et c'est ça que moi, c'est à ça j'aspire en fait. Parce que dans tout ce que je rentre, je voudrais qu'on dise que, ah, mais celle-là, vraiment. <laughs> je ne veux pas qu'on dise, oh, celle-là caille. voyez un peu, non et, quand vous êtes sur scène, comment vous, vous êtes quand vous êtes sur scène Qu'est-ce que vous ressentez Vous n'avez ah. pas froid aux yeux devant le public, tout ça Comment vous êtes Moi, j'aime le public. Mhm. Je n'aime pas la. Je ne suis pas populaire mais j'aime le public, j'aime les gens, j'aime la jovialité et tout ça. Donc quand je suis sur la scène, c'est un autre monde. C'est comme si je deviens une autre personne, mhm. catégoriquement, parce que c'est comme si je, viens de descendre du ciel. Quoi. <laughs> ok, Hiro, vous voulez ajouter quelque chose euh, je, je sais pas. Euh, moi, je, je, pense que pour, euh, surtout pour elle, c'est je dirais qu'elle elle, est en train de s'élancer mhm. Et c'est serait un peu compliqué parce que Claudia Tagbo, c'est quelqu'un qui clash les hommes. Et mhm. je ne la vois pas clasher les hommes, en fait. <laughs> elle va se Je vais commencer par toi, Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre cette émission. Un festival international du rire s'est tenu du 13 au 15 février dernier ici à Niamey. Hiro, vous êtes l'un des organisateurs de ce festival. Parlez-nous de ce festival. Rire à Niamey, c'est les rencontres internationales de Rire à Niamey. Euh, un festival qu'on a initié il y a, depuis l'année dernière. Et là, nous sommes à la deuxième édition. Et pour cette année, nous avons le Togo, le Burkina, le la Guinée <laughs> et, le Congo Brazza. Les pays africains. Les pays africains. Euh, aussi, euh, nous avons notre marraine qui la France. Mhm. Euh, maintenant, nous avons parmi nos têtes d'affiche, nous dirons que nous avons le maître de la scène qui est Moussa Petit Sergent. Nous avons le président de la République. <laughs> Bref, plein d'artistes qui savent donner les rires. Mhm. Maintenant, l'objectif pour lequel nous avons créé cet événement, le premier objectif, vraiment l'objectif principal, c'est de permettre une plateforme de rencontres et de mhm. formation. Mhm, si on pourrait faire, je le disais hier à la rencontre, si on pouvait faire un festival sans spectacle, on allait le faire. Mais on a besoin de ces spectacles pour payer les gens. D'accord. Et cette deuxième édition, comme vous êtes à votre deuxième édition, c'est ça, cette année, euh, le thème porte sur la question des femmes, c'est ça Humour, femmes et, et, hum, société. Voilà, pourquoi le choix de tel thème euh, La première chose est que nous avons constaté que les femmes sont réticentes pour venir à Limour. nous avons rencontré plein de filles qui arrivent et repartir mhm. dans Limour. Nous savons aussi que aujourd'hui, quand on parle d'humour, quand on voit un humoriste, nous les humoristes, les gars, on passe notre temps à clasher les femmes. Mhm. <laughs> il y a aussi ces quand, quand, on euh, fait un aperçu sur euh, le, dans le spectacle vivant, il n'y a pas de femmes entre, parmi les, euh, les acteurs culturels. Mhm, mhm, mhm. Du coup, on s'est dit oui, pourquoi ne pas créer un événement qui va nous permettre, pourquoi ne pas faire un thème, cette deuxième édition, qui va nous permettre d'aller plus vers les femmes et peut-être que ça nous permettra d'avoir. Euh, de les toucher directement. Mhm, et mhm. heureusement, nous avons six stagiaires en entrepreneuriat culturel. Mhm. Malheureusement, nous n'avons que deux stagiaires en humour. Euh, comme femmes. Ce sont des femmes, Ce sont des femmes. Et là, c'est triste quand même parce que nous, notre objet, au début, on voulait faire carrément un atelier d'humour pour femmes. Et si on avait osé, on allait vraiment D'accord. Sarah, et quels sont vos points de vue Qu'est-ce que, Comment vous voyez ce festival Est-ce une opportunité pour vous d'être encore beaucoup plus connu Oui, c'est une opportunité pour moi de plus me former, mhm. d'être plus connu et d'avoir euh, des contacts à l'extérieur parce mm. que on qu'on ne sait pas ce que la vie peut nous montrer. Demain, je vais dans un autre pays comme au Burkina et là, c'est pour ça que je tiens à rappeler que nous, les Nigériens, nous sommes hospitaliers. <laughs> Donc, euh, il faut qu'on se donne à fond afin que ces étrangers-là, humoristes qui sont venus, qu'ils retournent chez eux, ils puissent être faits à au Niger. Il y a même des femmes. <laughs> voilà. Hiro, vous parlez de formation, c'est ça Oui. Ok. Euh, en premier, je, je pourrais même dire que nous sommes déjà à 85% d'objectifs atteints. Mm-hmm. Et dans la mesure où la première idée, c'était de signer ces conventions qui allaient permettre à notre structure d'envoyer des jeunes humoristes nigériens mm-hmm. dans d'autres pays. C'est acquis. La deuxième, euh, le deuxième point, c'était de permettre de de faire des rencontres autour des thèmes qui peuvent apporter aux mm-hmm. jeunes humoristes. Et on a eu on avait prévu une seule rencontre, TDBA. Mhm. On était obligé de faire, un, de faire un deuxième et bientôt il y aura un troisième obligé parce que c'était intéressant. Mhm. On avait prévu qu'il y ait des échanges inter-artistes et ça a marché. Pour le moment, euh, le seul point aussi qu'on n'a pas réussi, c'est de toucher beaucoup de femmes. Voilà, on, espère bien vraiment euh, que vous arrivez à toucher bon nombre de femmes à travers ce festival. Et la particularité encore pour cette deuxième édition est que nous sélectionnons cinq jeunes avec lesquels nous allons faire une tournée nationale à Nîmour et nous allons partout où nous passerons, nous formerons des jeunes à Nîmour. D'accord. Et outre ce festival euh, des rires, est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui, qui, qui vous réunissent, qui réunissent les Nigériens ici, les jeunes humoristes Est-ce qu'il y a les jeunes humoristes au Niger Outre ce festival, ce festival il y a le festival international d'islam et humour. Et il y a aussi, nous, entre nous, heureusement au Niger, quand il y a un événement, tout le monde est là. Donc on se rencontre aussi sur les autres événements, euh, que ce soit slammer, euh, musicien, musiciens, danseurs, théâtreux. On se rencontre tous euh, autour d'un événement. Mm. Donc ça fait de sorte qu'on se voit facilement mm-hmm. et on profite à chaque fois pour parler de ce qui nous, ce qui nous arrange. Donc projet humoristique. D'accord. Sarah, comment vous voyez l'avenir Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait arriver à un Niger où, euh, comment dirais-je, des, centaines de femmes vont se lancer dans l'humour. Je ne dirais pas des centaines, mais je dirais un minimum, un minimum de femmes, parce qu'il le faut. C'est le moment pour la femme de, de s'imposer. C'est le moment pour la femme de montrer que elle aussi, elle peut. Mhm. Elle aussi, elle peut. Et pour cela, je lancerai même aussi un appel. Je dirais que nous toutes, nous toutes, nous toutes, nous aimons rire. Je n'ai pas vu dans je vis, je suis dans la vie active, mhm. les femmes ou les filles, même sur le téléphone, elles sourissent. Ça veut dire que dans, un côté de leur être à elles-mêmes, elles ont ce qu'on appelle, euh, elles veulent qu'on les fasse rire. Mhm. donc il faudrait qu'elles s'y mettent hein, parce que vraiment, le Niger, là, c'est pour nous mhm. et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, la femme peut s'imposer. Donc, je fais appel à elle. D'accord. Hiro, euh, selon vous, comment faire émerger ce métier ici au Niger D'abord, est-ce que vous avez l'appui des autorités Ah, madallah. <laughs> Euh, jusque-là, l'année dernière, ils ont envoyé une lettre <laughs> le ministère. Mhm. Nous, on les a offert une invitation. Ils sont venus suivre le spectacle gratuitement. Mhm. Cette année, on n'a même pas eu la lettre en fait. Euh, pour dire que euh, aucun soutien du ministère. Direct, directement. Euh, mais nous avons le soutien du Centre culturel franco-nigérien mhm. qui est partenaire avec le ministère. Hmm ce serait bien que le ministère décide pour une fois d'accompagner les événements artistiques et culturels dans l'ensemble. Mhm, mhm, mhm. parce Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un métier qui fait parler du Niger comme l'art ou bien, ou bien le sport. Il n'y a pas. Du coup, je pense qu'il est temps quand même qu'il change un peu. Et je voudrais aussi ajouter eh, un truc pour la question de Sarah. En fait, les femmes ont intérêt à prendre la parole en sinon elles seront toujours <laughs> clashées par les humoristes. On ne va pas l'accepter. Ah, en tout cas, <laughs> on ne faut pas lâcher. Sarah, euh, pour finir, on est presque à la fin de cette euh, émission. Vos amis, que dire à vos amis qui, à vos amis qui veulent se lancer et qui hésitent toujours Je dirais à mes amis qui veulent se lancer, qui hésitent, de ne pas regarder à gauche, de ne pas regarder à droite, mhm. de se lancer à fond, de se donner à fond, mais de se donner des principes. Parce que la vie, c'est des principes. De savoir que je vais faire ça, pas à cause de quelqu'un, pas pour quelque chose, mais parce que je le veux, mhm. parce que je le sens et parce que je dois le faire pour moi-même. Mhm, c'est tout ce que je peux leur dire. Et de ne pas regarder aux petites apparences, ceci, cela. Dans tout métier, dans tout métier, il y a des... Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Donc, juste s'y mettre et se donner à fond c'est la seule. Et la volonté, c'est la seule chose. Hiro, comment vraiment amener les femmes pour finir vraiment pour... amener les femmes. en fait, moi, le problème que j'ai eu à 70% avec les femmes, en fait, c'est un, le manque de confiance en soi déjà. Mhm, mhm. Deux, la crainte, la peur de la famille et de la société, le, la peur du rejet. Mhm. Maintenant, si, pour amener la femme à intégrer ces domaines, euh, je pense que on va mettre ça en prière. <laughs> oui, votre mot de la fin. Euh, je dirais, j'invite tout le monde à venir euh, soutenir ce festival qui est en train de permettre aujourd'hui d'installer un pont entre ces différents pays. Mhm. Et parce que désormais, on parlera des limo nigériens, hors du Niger. Mm. Et on a besoin de vous pour pouvoir concrétiser ces conventions. D'accord, euh, chers auditeurs et auditrices. ça avant de finir, une petite prestation. <laughs> Le stand-up se fait qu'avec un public en face et un micro, une scène. Ouais, je la rachète en vous disant que je suis le seul président à vie, parce qu'il est écrit dans les livres. Il est écrit dans les livres. Hmm. Homme, tu régneras sur la terre, la nature et tout ce qui se trouve sur la terre. Mais le pouvoir à vie n'est donné qu'au président de la République. Alors, euh, merci à vous, chers euh, auditeurs et auditrices du studio Kalangu. Nous sommes donc au terme de cette euh, émission. L'humour, comment les femmes nigériennes abordent-elles ce métier On l'a constaté de par les interventions de nos deux invités. On a constaté que les femmes sont peu dans ce domaine. Donc, il faut qu'on sache que l'humour est thérapeutique et toute femme, toute femme peut se lancer dans ce métier. Il faut de la persévérance, euh, de la motivation pour vraiment faire émerger ce métier ici au Niger. Nous étions donc avec Sarah Promise, jeune humoriste. Merci Sarah d'être venue. Hiro Maman, il est le président de l'association artistique culturelle Bafoune Didio et directeur artistique des Rires à Niamey. Merci d'être venu. Merci à Radio Kalangou de nous avoir permis de, le studio Kalangou de nous avoir <laughs> permis d'être là. Merci à vous. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo, à la technique Issa Kalawali. À très bientôt pour une autre thématique sur le studio Kalangou.